fam. Es was fam. Es was fam. Es was fam. Es was fam. Messieurs, dames, nous sommes mardi. Votre rendez-vous hebdomadaire Espace Femme, qui traite des questions d'actualité ou de société qui concernent les femmes. Espace Femmes, c'est aussi un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. 18 heures passées de 15 minutes. Fidèles auditeurs, vous nous suivez à Niamey et partout au Niger via nos radios partenaires au nombre de 41 disséminées dans les huit régions du Niger. Merci d'être des nôtres. Diallo Maria Makenda au micro. Au Niger, l'artisanat représente l'une des grandes sources de revenus des populations. Selon la Direction nationale de l'artisanat, environ 9000 personnes vivent à temps plein ou de manière saisonnière des activités artisanales qui représentent plus de 200 métiers. Les femmes constituent environ 60% de cet effectif. Nous allons avoir le temps de le vérifier. Le SAFEM est avec nous aujourd'hui. Les femmes constituent donc, je disais, environ 60% de cet effectif. Leurs domaines de prédilection sont la transformation agroalimentaire, le textile, entendez par textile l'habillement, la couture et l'hygiène des soins corporels et enfin les cosmétiques, tresses manucure, pédicure, hein, fabrication ou vente euh, de l'encens. Quelle est donc la contribution des artistes dans l'économie du Niger. Pour répondre donc à cette question, nous verrons les contributions de ces femmes dans le SAFAM. Le SAFAM, c'est l'agence du Salon international de l'artisanat pour la femme. Donc, à travers leur domaine de prédilection, de prédilection, l'agroalimentaire, je citais tout à l'heure, les textiles et les cosmétiques. La contribution des artisans dans l'économie nationale à travers le SAFAM, c'est le thème que nous débattrons ce soir dans ce numéro d'Espace Femme, Dans la première partie, nous démontrerons la forte présence des femmes dans le secteur de l'artisanat. Ensuite, les charges quotidiennes de ces artisanes au sein de leur famille et leurs difficultés dans l'écoulement de leurs marchandises avant de proposer les solutions pour permettre aux artisanes nigériennes de mieux s'organiser. Pour répondre à toutes ces questions, le studio Kalangu a réuni autour de sa table Aogi Alimatsu Abdurrahman, chef division formation et renforcement des capacités au SAFAM. Euh, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Elles sont aussi là, les artisanes, ravies d'être en votre compagnie. Le studio Kalangu vous remercie. J'ai nommé Mariama aussi euh, Soumana Haji qui n'est pas encore là, mais elle nous rejoindra tout à l'heure, et Maimouna Mamoudou. Maimouna Mamoudou évolue dans les cosmétiques et Mariama Tanko, donc elle possède un atelier de couture dans les textiles. Voilà le débat lancé. La 11e édition du SAFAM, l'agence pour le Salon international de l'artisanat de la femme, vient de prendre fin à Niamey avec comme pays invité d'honneur le Sénégal. Aougi Alimatsu Abdourahman, un mot sur l'événement. Pour résumer en un mot, comme vous, vous l'avez dit, euh, effectivement, la 11e édition du salon Sa femme vient de clore le dimanche 8 décembre passé. Notre satisfaction totale. Nous avons accueilli les femmes artisanes avec, comme vous l'avez dit, le pays invité d'honneur, le Sénégal. Et les femmes ont fait des très bons chiffres d'affaires. Les échos, en tout cas, à la fin de cette édition, sont totalement positifs et vivement la 12 édition du Salon SAFEM. Alors, en parlant de chiffre d'affaires, j'estime que ce n'est pas encore le moment de vous demander mm. combien cela fait parce que les comptes euh, mm. ne vont commencer qu'après donc, la clôture. Donc, euh, ne soyez pas surprise qu'après mm. le studio Kalangou vienne vers vous régulièrement pour avoir donc euh, ces chiffres d'affaires. Mm-hmm. SAFEM est disposé à répondre. <laughs> D'accord. Alors, donc, avec combien de, pays au total cette année, la 11e édition on va dire on a enregistré, en tout cas l'arrivée de pays d'Afrique noire et du Maghreb, un total de 25 pays. Et depuis sa création, le SAFEM invite les artisans de plusieurs pays. Cette année, donc, l'événement a revenu, comme elle a dit, plus de 25 pays. Nous faisons tout de suite un zoom sur le Sénégal par le biais de l'assistant du département promotion du Conseil sénégalais des chargeurs COSEC, Yahya Sadio. Selon Yahya Sadio, la délégation sénégalaise était composée de 10 artisanes, donc j'ai nommé les femmes. Au total, donc 15 stands à raison de 360 000 francs CFA donc, qui ont été mobilisés. L'assistant du département promotion du COSEC nous parle de la contribution des femmes artisanes dans l'économie du Sénégal. Déjà pour la délégation du COSEC, euh, Conseil sénégalais des chargeurs, nous sommes, euh, si je compte euh, les artisans, nous avons amené avec nous 10 artisans euh, convoyés et installés euh, entièrement aux frais du, COSEC. Le Sénégal est donc le pays d'honneur invité au SAFEM à cause de sa participation régulière aux différentes éditions. Euh, parmi les artisans qui sont venus, il y a combien de femmes Parmi les artisans, eh on peut compter déjà 10 femmes. 10 femmes entièrement convoyées par le COSEC, je dirais. Donc, euh, arrivé sur place, on a eu à voir euh, des compatriotes qui euh, n'avaient malheureusement pas de stand et on a eu à les caser au niveau de nos stands. Alors, vous avez eu combien de stands au total Au total, on a 11 stands. Le stand institutionnel et 10 autres stands entièrement dédiés aux chargeurs. Donc, si on compte les, les chargeurs qu'on a pris en charge sur place, on se retrouve avec 15 chargeurs au lieu des 10. Puisque, comme vous l'avez si bien dit, et à tout seigneur, tout honneur, euh, sachant l'honneur qui nous a été euh, fait par euh, la direction du SAFEM et le Niger en particulier, nous sommes vraiment très heureux de cette invitation d'honneur. Nos opératrices sont contentes, elles sont à l'aise, elles sont dans un, dans un environnement sain, sécurisé avec des gens très aimables qui sont à l'écoute de tout ce que nous demandons. Je peux dire que euh, nous, sommes très satisfaits de cette participation. Donc, ce que moi j'aimerais savoir, vous avez parlé de 10 stands au total. 10 stands à raison de combien 10 stands de 9 mètres carrés. Je crois que le stand, c'est 360 000. Donc, 11 stands. Vous faites le calcul, plus les billets d'avion, une somme forfaitaire qu'on a donnée aux chargeurs pour vraiment être à l'aise au Niger. Alors parmi ces festivaliers, ces femmes artisanes, elles sont dans quelle euh, filière On les retrouve plus où oui, plus dans le textile, la couture. Mais il y a euh, l'agroalimentaire et les cosmétiques. Car vous savez, le Sénégal, les dames sont coquettes. Et c'est l'occasion pour moi de, les, leur rendre hommage. Euh, ce qui veut dire qu'au Sénégal, quand même, les femmes sont pionnières dans ce secteur voilà, donc nous étions au Sénégal, pas au Sénégal, au Niger, au SAFEM, bien sûr. <laughs> voilà, avec donc euh, la délégation sénégalaise. Aougui Alimatsou Abdourahman, donc chef division, formation et renforcement des capacités au SAFEM. Vous étiez sur le terrain, je vous ai vu donc à l'œuvre. Avez-vous un retour du bilan de la participation de ces artisans Comme l'a si bien souligné le, monsieur du COSEC, effectivement, on a noté, comme à la coutumée et beaucoup plus euh, une participation massive et très significative des femmes euh, du Sénégal. Comme d'habitude, elles viennent avec plus de prédominance du textile, mais elles sont également dans tous les corps de métier comme nos femmes artisanes du Niger. Et ces femmes, elles étaient satisfaites. Je vous ai vu faire le tour de ces tables, de ces stands, parler avec les femmes. Une idée Effectivement, on, faisait la ronde et le tour tous les jours. On prenait les échos, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et vraiment, euh, le plus grand écho qui nous est parvenu, c'est que la majorité, les femmes sont satisfaites. Elles ont vendu, elles ont fait vraiment des très bons chiffres d'affaires au niveau national et, au niveau des Sénégalais. C'est ce que j'allais demander. Pour les mhm. femmes nigériennes, les artisanes nigériennes, c'était pareil aussi. en tout cas, pour la majorité, elles ont fait des chiffres d'affaires vraiment assez significatifs. Alors, euh, Ogi Abdourahman, des artisanes nigériennes, se plaignaient un peu du montant élevé des stands. 150 mhm. 000 francs, les stands qui étaient donc euh, à l'extérieur. Mhm. Donc, qu'est-ce que vous répondez à cela Pour euh, cette question, je pense que pour la plupart, c'est des femmes qui pratiquent les foires au niveau régional. Et tout sondage fait, la foire du salon est la foire la moins chère dans toute la sous-région. Nos stands sont les moins chers et à l'intérieur et à l'extérieur. Euh, si je prends l'exemple de la foire qui se tient actuellement euh, à Dakar, la, foire FIDAC, où les femmes artisanes nigériennes participent régulièrement et avec un effectif assez intéressant, le stand fait 720 000. Or, nous, nos stands sont à 360 000 à l'intérieur. On est dans une dynamique, en fait, d'entrepreneuriat. Il faut que les femmes arrivent à être à un niveau où elles peuvent, et même si c'est pas euh, de façon personnelle, même si c'est à deux ou à trois, pouvoir supporter les charges que leur impose, par exemple, la, prise en charge des stands et aller dans une dynamique euh, d'autonomisation. Est-ce que ces femmes réellement mhm. pourront arriver à, ce stade Nous y répondrons pas tout à l'heure, mhm. puisque c'est des sous-thèmes qu'on va, qu'on va développer et débattre mhm. euh, plus tard. Donc, elle vient de nous euh, rejoindre. C'est donc Soumana Hajia Ramatou. Bonne arrivée, asseyez-vous. Voilà, bonjour à vous. Donc, je rappelle que Soumana Haji est dans l'agroalimentaire, la transformation du souché. Voilà, on aura donc le temps de, demander c'est quoi cette transformation et tout ça. On reste avec vous, Aougi Alimatou Abdourahman. Comment on peut définir l'artisanat de façon très simple On pourrait dire que l'artisanat, c'est toute activité menée de façon manuelle. Donc ça va de la vendeuse de la galette au plombier en passant par l'électricien. En tout cas, tout ce qui est utilisé en plus de, de l'intellect, bien sûr, qui a pour base l'activité manuelle. En tout cas, au Niger, on a répertorié 206 de métier. Donc plus de 200. Plus de, plus de 200. Alors, euh, quelle est la part de, des femmes Vraiment, les femmes euh, nigériennes, elles se retrouvent pratiquement dans tous les corps de métier. On a des femmes euh, garagistes, on en connaît. On a des femmes qui évoluent dans l'électricité. Et donc, vraiment, les femmes sont pratiquement dans tous les corps de métier. La maçonnerie, vraiment, on a les, centres de formation et FAFPRA qui accompagnent les jeunes Nigériens et qui les forment dans tous les corps de métier. Alors, quels sont les corps de métier les plus exercés par les artisanes Je me tourne vers les dames qui sont là. Et les corps de métier les plus exercés par ces artisanes, vous conviendrez avec moi, Aougui Guy Alimatou, Abdourahman, que ce sont les cosmétiques, les textiles et l'agroalimentaire. Alors, Mariama Tanko, elle possède un atelier de, couture euh, au niveau du village artisanat. Alors, Comment est-ce que vous êtes parvenu à, cela Et on va aller un peu plus vite parce qu'on a juste 30 minutes de débat. Bonsoir, Madame Mariama. <laughs> Bonsoir. Merci de nous inviter au studio Kalangu. Donc, j'ai commencé ma couture en 1987, novembre 87. J'ai eu mon diplôme en année 91. Donc, après avoir mon diplôme, j'ai commencé à travailler à la maison. Vous aviez une machine à la maison Oui, j'ai une machine. Je prenais des apprentis. Première libération que j'ai fais, j'ai libéré six apprentis. Alors, alors la couture à la maison, c'était cher ou pas C'est pas cher avant. C'était combien À peu près 8000 ah. les oh, Oui, puisque j'ai appris la couture avec une Togolaise. Donc, les coutures togolaises. Les coupes Les coupes togolaises, c'est pas facile. Mhm. mille 8000 francs. Et vous aviez de la clientèle Oui, j'ai des clientèles. C'est les parents, les connaissances amis et connaissances. Et c'est comme ça que vous êtes parvenu à créer votre atelier de couture. de couture. Et aujourd'hui, ça marche Ça va, alhamdulillah. D'accord. Quand on dit ça va, alhamdulillah, ça veut dire qu'on ne veut plus faire de débat. <laughs> Soumana Hajia Ramatou, elle est dans l'agroalimentaire, dans la transformation du toucher. Elle, elle a tenu à préciser cela, mais ça, elle fait aussi d'autres choses, elle va nous le dire. Hein. Donc, euh, Soumana Hajia, parle-nous un peu de ce que vous faites dans ce domaine. Mais rapprochez-vous un peu de ce micro. Merci. Oui, merci euh, le studio Kalangou de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui pour présenter vraiment tout ce que j'ai fait. Maintenant, moi, je suis transformatrice puisque au début, j'étais entrepreneur un bâtiment de travaux publics. Compte tenu de la concurrence déloyale des hommes entrepreneurs, donc j'ai jugé utile de laisser tomber le bâtiment pour aider mes sœurs sur euh, la transformation agroalimentaire. Est-ce que vous avez bénéficié d'une formation pour cela Oui. Alors qui vous a formé Comment c'est arrivé Au début, ma maman, ma maman était une grande transformatrice. Après, j'étais à Porto Novo aussi. J'étais à Dakar, donc je me suis formée. Bien que à Porto Novo, quand j'étais partie à Porto Novo pour me former, au contraire, c'est moi-même qui les ai formés. <laughs> Ça, c'est intéressant. oui. Oui. Donc euh, maintenant, j'ai fait, j'ai fait du tout, hein, mais seulement je me suis basée sur, toute cette année-là. Alors du tout, c'est vague. Citez-nous quelques, quelques-unes des choses que vous faites. Au tout début, avec euh, le Sahel, j'ai commencé à transformer les fruits locaux du Niger en sirop concentré. Et, et quels fruits C'est-à-dire les jujubes, les fruits de baobab, les fruits de datier, du Sahel, adoua, on appelle adoua, voilà. Tous les fruits de l'environnement, quoi. Donc j'ai suis arrivé à les transformer en sirop, en granulé. Et, ça, ça, ça, se vend facilement Oui, ça se vend facilement. La population connaît ça J'ai même eu des prix pour ça. Où ça et quand Au moment du Sahel. J'ai eu le prix du Premier ministre pour les jujubes, le prix du meilleur stand. Mhm. le prix du salon Innove avec le couscous de pommes de terre et le prix de l'environnement avec euh, la farine infantile à base de moringa. Et tout ça, c'est très nourrissant. Hein. Oui, ça contient beaucoup de, vitamines. Et aujourd'hui, vous êtes dans la transformation du souché. Souché, oui. Le souché. Le souché en langue, c'est quoi d'ailleurs Aya. Aya. Oui. En germain, on dit hanti. D'accord. Et qu'est-ce que vous en faites ça Bon, j'ai fait d'abord euh, la pâte séchée, la pâte séchée de euh, souché que j'ai réduit ça en, euh, de la façon indomie. Mhm. Il y a tout. Indomie, oui, c'est une sorte de, de, de, de bouillie. Non, pas comme euh, spaghetti. J'ai fait spaghetti de. Ah, indomie, c'est vrai, avec plein de condiments. Oui, il y, a, les condiments et tout. C'est ça, c'est la pâte séchée que j'ai fait avec de la façon indomie. Est-ce que ça, les enfants, je veux dire, les enfants euh, après l'allaitement, après six mois, est-ce que les enfants se nourrissent très bien, même les. Même les mamans, les célibataires qui veulent. De toute façon, on, utilise Indomie là. C'est comme ça qu'on l'utilise qu'on l'utilise aussi. Ça, c'est très... Les célibataires, mhm. les étudiants, qui veulent manger chap chap. Genre ceux qui n'ont pas le temps de, cuisiner quelque chose de difficile. Il y a tout, j'ai fait une façon d'emballage qu'il y a tout dedans. Et vous vendez ça où À la maison aussi Bon, je viens de commencer pour le, le souché. Pour le souché. Oui. Mais pour les transformations, moi, je, forme. Je les transforme en spaghettis encore. Mais où est-ce que vous les vendez Je viens de commencer ça. Là. Ça, c'est une innovation. Mais si je veux maintenant, moi, avoir ça, comment je fais Donc, on a un bureau mhm. au niveau de Sonici, donc vers les femmes festuleuses. Mhm. Donc, et si vous m'appelez, il y a les jeunes qui vont vous guider. Même si je ne suis pas là, il y a les jeunes qui vont. Il va vous falloir une grande communication pour qu'on sache trouver ces, ces <laughs> aliments très intéressants d'ailleurs. Je suis donc avec. l'huile aussi, mhm. l'huile de souché. que c'est avec l'huile que je prépare les indomies, les spaghetti, tout, tout. Il y a le couscous des souchés aussi. Et tout ça, ça vous a pris combien d'années Non, ça là, ça c'est en une nuit que <laughs> j'ai tout pensé. Ok. Et le matin, je me suis lavé. Levé, je suis allée au marché acheter le souché, venir essayer. Et ça, ça a marché. Ah, depuis 80. Alors donc, Mariam Matanko, mhm. Mhm. voilà. Mm, j'ai commencé la transformation en 98. Voilà. Merci Mariama mm. d'avoir posé cette question. Et euh, donc, je, suis, je me tourne vers Maimouna Mamoudou, qui a un joli sourire. Donc voilà, elle est dans la fabrication, la commercialisation de l'encens. Je l'ai senti dès qu'elle est entrée, puisqu'il y avait vraiment une, bonne odeur. Vous avez commencé cela depuis quand Bonsoir, euh, chers internautes. Euh, chers auditeurs, auditrices, merci Madame Mariama de me donner la parole. J'ai commencé en, formellement en 2016 formellement. C'est très important, oui. Mais ça veut dire qu'avant... Je le faisais depuis 2010. Euh, mais c'est en 2016 que j'ai formalisé, que j'ai créé l'entreprise avec tous les papiers. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en matière de vente, c'est-à-dire euh, du point de vue vente, commercialisation Qu'est-ce que cela vous a permis de faire Qu'est-ce que vous avez eu là-dedans J'ai fait beaucoup de réalisations. J'ai pu m'acheter un terrain et je, je prends en charge aussi mes deux garçons. Super. Voilà. Donc ça, ça vous aide à subvenir aux besoins quotidiens. Exactement. Aujourd'hui encore, parce que nous voyons que sur le marché, de plus en plus, les femmes sont dans les cosmétiques, donc dans la fabrication et la commercialisation euh, de l'encens. Est-ce que la concurrence n'est pas rude La concurrence est très rude, mais euh, dans tout ce que vous faites, il faut mettre l'excellence donc je, <laughs> je ne serai pas prétentieuse en, disant que... Pas du tout. <laughs> en disant que mes produits sont uniques. Voilà. Et, et c'est cher. <laughs> si la qualité y est, c'est normal que ce soit cher. Alors, alors... si les femmes veulent de la bonne qualité, c'est bien normal qu'elles y mettent le prix. Et c'est combien Les prix varient de 5 000 à plus, voilà, voire 5 000, 150 000. Ça dépend du type d'encens que la personne veut. Alors, du type d'encens, on voit que vous êtes habillé local avec le pagne euh, Tangara, c'est ça Saï Tangara. Saï Tangara, voilà, vraiment local. toutes les femmes sont habillées locales, hein. donc ne, dites pas que j'ai fait de la, discrimination, pas du tout, mais c'est un beau pagne quand même. Alors, est-ce que tous vos produits aussi, euh, ce que vous utilisez pour la fabrication de l'encens aussi local Je ne dirais pas que tout est local, parce qu'il y a les concentrés que nous utilisons nous viennent souvent des, euh, des pays arabes ou du Tchad. Mhm. Mais il y a quand même euh, beaucoup de produits locaux. Il y a quand même beaucoup de produits locaux. Alors, euh, je ne vous ai pas demandé, Mariama donc, Tonko, je rappelle que vous êtes dans la couture, donc les textiles. Aujourd'hui, comment euh, se présente la concurrence Est-ce le même chiffre d'affaires que vous avez comme avant Parce que de plus en plus, il y a aussi des Togolaises ici, il y a aussi des couturières. Je suppose que ça ne doit pas être pareil en termes de chiffre d'affaires. <laughs> Ah oui, ça, ça fait rire. Hein. <laughs> Euh, ici, chez nous, surtout les Nigériens, elles n'aiment pas venir chez les Nigériens pour coudre. Il faut qu'on dise celle-là, c'est une euh, Togolaise, une Béninoise, une bien une Sénégalais. c'est notre problème comme ça chez nous. Et donc, Mariam Tanko vient de souligner donc, euh, les, les difficultés. Ne consomment pas ne, consomment pas nigériens. Les difficultés d'écoulement des, Des produits. Soumana Hajia Ramatou remis la tête, vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit Oui, bon. Puisque avant, là, uh-huh. avant. D'accord. Vous aurez la parole tout à l'heure, Maria Matanko. Avant, les Nigériens, sont. Elles hésitent mm. d'acheter nos produits. Mais vraiment, maintenant, ça va. OK. Puisque tout le monde veut local. Par exemple, moi, j'ai fait des bouillons 100% naturels. Mm. Vous voyez, avec les maladies de tension et le diabète, maintenant tout le monde, tout le monde veut les locales. Maintenant, on, on a vraiment des clientèles. Du coup, vous êtes comme une sorte de médecin de, euh, dans le domaine, bien sûr, euh, de, l'alimentation. Voilà. Alors, Maria Matonko. Surtout au moment du carême, là. Uh-huh. Donc ça marche très bien, vous faites de, vrais chiffres d'affaires. Voilà. Agroalimentaire, là, ça, marche. ça marche. Oui. Quand tu es propre, ça marche. Voilà. Et donc, Puisqu'il y a la propriété aussi qui compte, la qualité aussi compte. Et donc, Mariam Tonko, c'est dans la couture et dans les textiles que c'est encore plus compliqué, c'est ça. la concurrence est très rude. Alors, euh, qu'est-ce que. Je ne vais pas vous poser cette question, je veux me retourner vers Aougi Alimatou, donc euh, Abdourahmane du, SAFEM. Alors, ce que vient de dire Mariam Tonko et euh, Soumana Hajia Ramatou, les réalités sont vraiment différentes. Au niveau du SAFEM, vous êtes conscient de ces réalités et qu'est-ce qui est fait C'est faits Et comme vous l'avez vu, ça varie en fonction des corps de métier. Comme l'a souligné Mariam au niveau du textile, vraiment c'est que tout ce qui est vestimentaire. vestimentaire, voilà, le Nigérien a plus tendance à chercher et l'importer. Comment renverser la tendance la, la tendance est effectivement en train d'être renversée à un certain niveau. C'est-à-dire, tout de suite, vous venez d'apprécier la tenue de Maïmouna. Quand on voit aujourd'hui la femme nigérienne, elle est, elle est fière de porter Saïtangara, elle est fière de porter Tera Tera. Mais il faut quand même dans une coupe modernisée. Dans une coupe, absolument, absolument. Uh-huh. La dynamique est lancée. En tout cas, le changement de mentalité est en train d'être réel. Au niveau de la consommation des produits, euh, que ce soit vestimentaire, que ce soit alimentaire, on est en train d'assister à un réveil, comme elle a dit, du Nigérien face à, son produit. Parce que c'est ça aussi, euh, quand on dit renaissance culturelle, c'est ça, moi je me dis. On mhm. peut dire que là, le SAFEM a joué son rôle En tout cas, le SAFEM est en train de jouer son rôle d'encadrement parce que euh, à l'UA, ah, par exemple, Mariam a été aux premières loges du dossier de, euh, de, couture. On a, on a valorisé nos, nos, pagnes, mhm. on, les a modernisées parce qu'effectivement, il faut vouloir euh, de, son produit du terroir, mais il faut aussi qu'il soit contemporain, il faut qu'il soit amélioré. Donc c'est des pagnes, par exemple, ça et Terra Terra, on les a mis sur les rideaux, sur la décoration. Vraiment, on l'a utilisé de plusieurs manières et c'est vraiment parti tout de suite. Les gens, dès qu'ils voient vraiment la petite note, la petite touche eh, qui fait nigérien, là, ils ont envie de prendre. Donc je pense que le, cette dynamique est lancée et Inch'Allah, je pense que d'ici peu de temps, eh, Mariam n'aura plus son problème de, de, parce que contrairement à Mariama Tanko, mm. Mm. je, l'ai dit, à hein, Soumana, donc oh, Hajia Ramatou et Maimouna Mamadou n'ont pas pratiquement ce problème parce que Maimouna Mamadou a même souligné que c'est mm. vrai, la concurrence est là, mais le fait d'avoir des produits de qualité est vraiment aide à, donc à avoir des chiffres d'affaires encore qui l'aident quotidiennement. Est-ce que pour les femmes artisanes euh, dans les zones rurales, elles connaissent à peu près euh, les mêmes problèmes, donc à Alimato abdurrahman Des problèmes d'écoulement ou des problèmes de... Voilà, d'écoulement de marchandises. Quelles sont leurs difficultés Parce que je suppose qu'elles font aussi à peu près les mêmes choses mhm. dans, dans, les différentes filières. Mhm. Bon, les problèmes, on va dire qu'ils sont les mêmes, mais à, un niveau différent. Les femmes en milieu urbain mhm. ont la chance d'avoir accès à la formation tout de suite. Or, ce qui n'est pas évident pour les femmes en milieu rural. C'est des femmes qui, en général, apprennent le métier de mère en fille. Ma grand mère a pratiqué, elle a transmis à ma mère, ma mère fait, ou bien j'ai pris ça d'une tante. Et C'est comme ça qu'elles ont le métier dans la main, dans le cœur et dans, la tête. Donc les femmes citadines sont plus présentes dans l'artisanat que celles qui sont dans les zones rurales. Non, non, non. les femmes en milieu rural sont de l'artisanat mhm. et elles le sont vraiment, mais elles n'ont pas de formation. C'est-à-dire que le produit est resté tel de l'arrière-grand-mère jusqu'à la voilà. Il n'y a pas d'amélioration, de modernisation. voilà, il n'y a pas de modernisation. Et c'est des, femmes qui pratiquent l'activité sans tenir compte, par exemple, des mesures. Les mesures, pas du design. C'est le même design qui est toujours là, donc, elle manque surtout de formation. Mais sinon, elle pratique le métier. Vraiment, euh, quand tu vas dans toutes les zones rurales du Niger, dans tous les villages du Niger, tu vas trouver une activité artisanale qui est pratiquée. Ça peut être la vannerie, la maroquinerie, la poterie. Ça dépend euh, de chaque région, mais elles sont vraiment dans l'artisanat. Et c'est ça qui leur permet de subvenir à leurs besoins. La femme qui pratique le, sa petite activité de, poterie a un revenu supplémentaire qui lui permet de mieux vivre que celles qui ne pratiquent pas. Donc du coup, euh, les problèmes sont là, euh, mais elles diffèrent du, milieu rural au, milieu urbain. Alors, on pourra dire aujourd'hui que le SAFEM a beaucoup contribué, et ça, je pose la question donc euh, aux artisans qui sont avec moi, ça pourrait être Mariama Matonko, Soumana Hajia Ramatou, Maimouna Mamadou, est-ce que c'est vous pourriez dire exactement, oui, le SAFAM aujourd'hui a permis à, ces artisanes d'être mieux organisés de sorte que vous êtes aujourd'hui très autonome. Maïmouna. Oui, je le pense parce que je suis euh, à ma deuxième participation au salon SAFEM. Il y a deux ans, quand j'ai participé pour la première fois au SAFEM, c'est vrai que je venais de commencer. C'était ma première exposition à un grand salon. Ça m'a beaucoup permis de me faire connaître. Je me suis fait beaucoup de clientes. Et c'est vrai qu'à ce moment, les emballages que j'avais à cette période-là, ils diffèrent de ce que j'ai fait là au dernier SAFEM. Il y a eu beaucoup d'améliorations parce que j'ai eu le temps de voir avec euh, celles qui étaient déjà, celles qui étaient là, les vendeuses d'encens qui étaient là depuis le début du SAFEM. Elles avaient vraiment des emballages différents des miens. Donc euh, j'ai pu me rapprocher d'elles, leur poser des questions. Elles m'ont un peu orienté Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et d'ailleurs, même... Euh, Madame Augie qui est là. Souvent, je lui pose euh, des questions quand je suis un peu coincée et elle me répond. C'est pareil pour vous, euh, Maria <laughs> Oui. Oui, le, SAFAM nous a beaucoup aidés. Grâce au SAFAM, maintenant les femmes qui sont dans les régions, dans les villages, ils produisent des produits, mais elles ne savent pas là où les vendre. Donc, grâce au SAFAM, donc c'est le SAFAM qui est parti envers eux. Si tu es dans les groupements des femmes régionales, il y a des foires, le SAFAM organise une mission qui part là-bas pour dire à la direction, donc de rassembler les femmes pour prendre leurs produits pour qu'on puisse les amener au foires pour montrer ce que les femmes sont capables de faire. Néanmoins, vous attendez quelque chose du SAFEM, c'est quoi particulièrement Je veux dire, qu'est-ce qui reste encore à faire euh, pour euh, oh, au niveau des textiles puisque elle nous donne des formations. Moi, je parle jusqu'à Bermo pour former les femmes bororo. Mais maintenant, j'ai une tenue bororo. Oui, je vois bien ça, c'est très beau. à la main. Donc, c'est pour moderniser leur travail, pour faire sortir leur... Et même les bijoux hein, que vous portez. Oui, c'est artisanal. C'est artisanal. Ah oui. Alors, euh, Soumana Hajia, donc Ramatou. Moi, je ne sais même pas sa femme-là. Sa femme-là m'a fait beaucoup de choses. Regardez mhm. un exemple. Euh, la foire de Dakar, là, s'est tenue au même moment que sa femme-là. Oui. Il y a des femmes qui sont parties là-bas. Et que moi, par, contre, mes clientes qui sont de Dakar, c'est elles qui sont venues ici. Donc, qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas Voilà, j'ai eu plus de 2 millions de... voilà. <laughs> Bravo. Rien que en sens, hein, rien que en sens, plus de 2 millions. Et je ne suis même pas sur place. Hein. Ce n'est pas de dire la vérité. C'est pour ça, c'est pour ça que j'ai dit bravo. Ah oui, c'est ça qui eh, m'a plu. Ah c'est ça qui m'a plu. millions. moi je n'ai jamais vu ah, ce pareil. Alors, une femme le SAFEM, c'est vrai et c'est bien et tout ça, mais est-ce que c'est les, seules occasions hein, à Aougui, donc à Alimatou, à Abdourahman, c'est on tend vers la fin de l'émission. Je veux dire, c'est les seules occasions. Y aura d'autres euh, événements qui ne sont pas strictement dans, le SAFEM, mais à côté, pour pouvoir mieux permettre à ces artisans de vendre euh, je voulais euh, féliciter, effectivement, comme l'a dit Mariam euh, Ramatou, pour sa franchise, parce que c'est très rare que les, artisans disent leur chiffre d'affaires comme ça. Mais quant à votre question, en 2015, non, 16, on a expérimenté des mini-foires. On a commencé avec Dosso, on a voulu décentraliser le SAFEM. Vous savez, le SAFEM, c'est une activité qui se tient tous les deux ans. Mhm. Maintenant, on s'est dit, est-ce qu'entre les deux ans-là, on peut prévoir un mini sa femme mais au niveau régional. Est-ce qu'en allant vers elles dans les régions, on pourrait leur, euh, leur permettre de venir vendre mhm. localement et accueillir leurs sœurs des autres régions mhm. Malheureusement, quand on l'a essayé à, à, Dosso, ça n'a pas donné ce qu'on attendait. L'affluence n'était pas là. Et du coup, ça nous a freiné un peu dans notre enthousiasme et notre mhm. volonté de, de poursuivre. Euh, sinon, on y pense tous les jours. Et comme l'a dit Haji Aramatou, il y a une des artistes à la veille du Safin, me disait que l'occasion du salon, c'est son moment de pic. Pendant les deux ans, c'est vraiment son moment de pic. C'est les mots qu'elle a utilisés. Donc, du coup, nous sommes conscients que c'est un moment qu'attendent toutes les femmes euh, artisanes et qu'il va falloir vraiment penser à d'autres euh, formules pour leur créer ces opportunités pour qu'elles puissent mieux écouler et vendre leurs produits. Le SAFEM a connu ses débuts avec Barry Bibata Nyandou, actuellement avocate à la Cour. Elle a commencé son activisme dans le domaine de l'artisanat en 2003. Barry Bibata Nyandou fut la deuxième coordinatrice du SAFEM après Kani Aïchatou Boulama de 2011 à 2013. J'aurais voulu que l'émission dure encore pour vous entendre, mesdames, mais nous sommes donc, comme je l'ai dit, à la fin euh, de l'émission, mais il y a aussi euh, une rubrique très intéressante, l'espace femme qu'on appelle donc la partie détente de, l'émission, Affirage en français, Loti en Zarma et Masokiji en Hausa. Donc, nous allons l'écouter tout de suite revenir à conclure à cette émission affairage, affairage, affairage, affairage. se t il Non, laisse. Laisse-moi d'abord retrouver mes esprits. Et Allah Mais qu'est-ce qu'il y a C'est un adolescent qui vient de se faire renverser par une voiture. Mon Dieu, c'est grave Oui, apparemment. Fallait pas voir la scène. Le choc était très violent. Il courait trop vite. Hum. Il paraît même qu'il s'est disputé avec son père et ce dernier l'a mis à la porte. Le pauvre garçon. J'espère qu'il va s'en sortir. Tu vois, c'est ça le problème de certains parents. Au lieu d'essayer d'arranger le problème avec leurs enfants, ils les empurent. Peut-être que ces garçons ne seraient pas en ce moment entre la vie et la mort si ces pères s'y étaient pris autrement. Tu sais, les enfants sont parfois incontrôlables, surtout pendant l'adolescence. C'est pour cela que je redoute le jour où j'aurai moi mon enfant. Je ne vois même pas pourquoi tu t'inquiètes. L'essentiel, c'est de leur consacrer du temps, discuter avec eux et les conseiller. C'est le seul moyen pour mieux connaître nos enfants. Force est de constater que le temps consacré aux enfants reste inégalement réparti entre hommes et femmes. Selon les experts, les mères consacrent en moyenne deux fois plus de temps aux enfants que le père. C'est normal, toi aussi. C'est parce que les pères n'ont pas le temps. Ils doivent aller travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Donc c'est normal que la femme, ce soit elle la mère qui éduque l'enfant. Mina, Qu'est-ce que tu racontes là il n'y a rien de normal dans cette façon de faire. Le papa doit s'impliquer autant que la maman. Il est primordial qu'un enfant garde un sentiment d'importance pour développer son instinct personnel. Comme cela, des querelles ou des conflits peuvent être évités. Ah bon, Salmou J'ignorais tout ça. Comment faire alors Explique-moi. Tout d'abord, Prends le temps de lui faire ressentir l'importance qu'il rêvait à vos yeux par des petites attentions, des gestes et des paroles nourrissantes. Hmm. Comment donc lui montrer qu'il a de l'importance à mes yeux Il faut consacrer du temps à l'enfant. Il a besoin de moments privilégiés seul avec l'un ou l'autre de ses parents. Si ces instants ne lui sont pas accordés, il pourrait adopter un mauvais comportement, surtout avec les adolescents faites l'effort d'être plus présent. Ainsi, vous allez mieux établir avec vos enfants une communication de qualité. Voyons Allah, c'est probablement le manque de tout ceci que tu viens de m'expliquer qui a provoqué cette dispute entre cet enfant et son père et qui a dégénéré. Hum, On peut améliorer la relation même si elle se dégrade, car il n'y a pas pas plus important entre parents et enfants que de développer une bonne relation. Ainsi, quand vous avez toute l'attention de votre enfant, vous pouvez aborder tous les sujets sans tabou. Seulement, si je comprends bien, plus je donne de l'importance à mon enfant et plus j'en reçois de sa part. Mais souvent, les parents n'ont vraiment pas le temps avec eux. Je culpabilise déjà à cette idée. Ah oui, sache que ce n'est pas la quantité mais la qualité qui compte. Quelques minutes par jour suffisent tant que le plaisir est réellement partagé. Rien ne sert d'être auprès de son enfant pendant des heures. Si l'on n'a l'esprit ailleurs, ils peuvent le vivre comme un abondant. Oui, oui, oui, oui. Il faut vraiment une dose de patience et d'énergie pour élever un enfant. Hein? <laughs> Je sais. Le pleur des bébés les provocations de l'adolescent, le travail, les tâches ménagères et les activités sociales nous font perdre le contrôle. Mais quand même, certaines résistent assez bien et d'autres moins bien. Mais faisons quand même des efforts. En tout cas, Salmou, j'ai pris une très bonne note et je pense que le moment venu, je serai à la hauteur. Merci ma chérie pour ces bons conseils. Tu es vraiment ma bonne psychologue. Ah oui, ma chérie, un homme prévenu en vaut deux. 安徒卡。 je le disais, c'est sachez qu'au Niger, les femmes sont présentes dans l'artisanat, dans pratiquement tous les corps de métier. Donc un moyen qui aide euh, les femmes à être autonomes. Aujourd'hui, avec donc euh, la concurrence sous-régionale, malgré cette concurrence, les artisanes nigériennes arrivent à garder le cap. Les difficultés d'écoulement des produits sont surtout à souligner au niveau pour les femmes qui se trouvent, pour les artisanes qui se trouvent dans les zones Rural. D'autres initiatives sont en cours. Ça a été précisé par Aougui, donc Alimato Abdourahman, chef division formation et renforcement des capacités du SAFEM. C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de donc Aougui Alimato Abdourahman, chef division formation et renforcement des capacités de sa femme, avec Mariama Tanko qui possède donc un atelier de couture au niveau du village artisanat, avec Soumana Hajia Ramatou qui est dans l'agroalimentaire, la transformation du sushi, dernière invention et Maimouna Mamadou, donc, qui évolue dans les cosmétiques, dans la fabrication et la commercialisation de l'encens. Mesdames, merci infiniment d'être restées avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Euh, fidèles auditeurs, merci d'être restés à l'écoute, de nous avoir suivis et d'avoir choisi les programmes du Studio Kalangou. Prochain rendez-vous des programmes du Studio Kalangou demain à partir de 17h sur nos 41 radios partenaires. Envoyez-nous vos témoignages et vos propositions en message vocal par WhatsApp au 80 06 88 54. Au micro pour vous servir toujours Diallo Mariama Kenda. À la partie technique, Sini Isaka. Au revoir.